sommes vendredi 28 juin 2024, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Forum de la presse de Sud okalangou le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'attaque terroriste le mardi 25 juin sur un détachement des forces de défense et de sécurité en contrôle de zone aux abords du village de Tassia, le sud de Banjo, ainsi que l'enlèvement le vendredi 21 juin du préfet de Bulma. Ensuite, la visite au Niger de deux anciens présidents béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniayi, et aussi la question du Niger qui envisage d'utiliser le pipeline du Tchad pour exporter son pétrole brut vers le marché international à travers un comité de travail qui sera mis en place. Enfin, la mise en place d'un groupe de travail chargé de réfléchir sur la révision de la structure des prix des hydrocarbures dans l'optique d'une baisse du prix à la pompe annoncée par les autorités nigériennes. Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Hussein Issa, il est journaliste indépendant. Bonsoir Hussein. Bonsoir. Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir Nafisa. Et Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafisa. Je suis Nafisa Adam à la modération. Fidèles auditrice et auditeur des programmes de Studio Kalangu, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Dans un communiqué du 25 juin 2024, le ministère de la Défense nationale renseigne qu'un détachement des forces de défense et de sécurité en contrôle de zone a fait l'objet d'une attaque aux abords du village de Tasia, le sud de Banjo, le mardi 25 juin aux environs de 10 heures. 21 personnes, dont un civil, ont trouvé la mort et 9 blessés. Le bilan fait aussi état de deux véhicules endommagés et notant que côté ennemi, plusieurs dizaines d'assaillants ont été neutralisés et des moyens roulants détruits. Je commence avec vous, Arimi. Comment avez-vous accueilli cette information euh, Merci. Euh, euh, je suis obligé de dire que malheureusement, on ne peut pas s'habituer euh, à ce, cette liste vraiment d'événements macabres, euh, n'est-ce pas, qui euh, nous apprennent depuis un certain temps, depuis quelques années déjà, je dirais, mhm. que chaque matin, de nos frères, de nos sœurs, de nos compatriotes sont tombés sur les champs d'honneur. donc cette fois encore, euh, quand dès qu'il y a un jour, deux jours d'accalmie, euh, l'esprit humain, humain étant ce qu'il est, on a euh, l'impression d'être dans une période d'accalmie, que c'est peut-être fini. Et comme par surprise, ça revient toujours, malheureusement. Et donc, c'est vraiment tout un chapelet de morts de, nos soldats mm. qui n'en finit pas. Et on se pose désormais la question de savoir à quand la fin vraiment euh, de cette euh, euh, de ces événements tristes mm. qui endeuillent vraiment régulièrement notre peuple. Chaque jour, un enfant qu'on connaît, un enfant à côté de chez soi, au-delà vraiment de concitoyens, qui se battent, de jeunes gens généralement, 20 mhm. ans, autour de 20 ans, n'est-ce pas, 20 sont morts, 15 sont morts, 10 sont morts. Euh, certainement, je crois que euh, nous serons de ceux-là qui seront d'une manière ou une autre euh, traumatisés par ce qui est en train de se passer. C'est donc inquiétant. et... La localité, c'est à quelques kilomètres de la de, ville de Niamey. non loin de Gotei. De Gotei. De, de, qui, vraiment, en prenant la route de Harubanda, n'est vraiment pas loin de Niamey. Mhm, mhm. Je dirais que c'est vraiment le fleuve qu'il y a entre cette ville-là et la ville de Niamey, quelque peu en réalité. Donc c'est extrêmement grave. On avait pensé que qu'avec l'arrivée du CNSP, c'était fini. Euh, malheureusement, comme on le dit, ça demeure une guerre euh, asymétrique et avec euh, certainement des enfants peut-être du terroir qui ont une certaine maîtrise vraiment du terrain, mhm. n'est-ce pas, et qui sont très bien renseignés pour qu'il y ait une attaque à 10 heures vraiment euh, du matin dans cette zone-là, ça veut dire que euh, nos militaires étaient tout simplement attendus. Et donc euh, vraiment, je crois qu'on doit redoubler la vigilance. Les le renseignement du côté des forces armées nigériennes doit encore être redoublé et euh, le contrôle, vraiment, je ne sais pas, le contrôle aérien, les forces aériennes, mhm. doivent vraiment être beaucoup plus promptes à réagir. C'est-à-dire pas euh, après une attaque, des heures euh, après. Bah, bah, non, c'est fini. Mhm. Euh, non seulement nous ne sommes pas loin de la. C'est la zone de trois frontières. Mhm. deux convois ici à Harobanda, c'est la zone des de trois frontières en réalité. Mhm. Il y a des endroits où le, la frontière est moins de 50 km. Et donc. Or, quoi qu'il en soit, même si c'est dans l'AES que nous sommes, quand euh, le mm, fauteur de troubles quand le malfrat a déjà euh, traversé la frontière, bon, il a quelque peu échappé parce que nous ne maîtrisons que le territoire euh, nigérien pour l'instant. Donc vraiment, ça mérite beaucoup, beaucoup d'attention à mon avis. On veut souvent mettre la population à contribution. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Ce n'est pas son rôle mhm. en réalité. Au, risque d'être exposé aux exactions comme souvent. D'accord. 21 personnes donc qui sont qui ont trouvé la mort suite à cette attaque. Euh, les autorités du Niger ont décrété un deuil national de trois jours à compter euh, du mercredi 26 euh, juin à leur mémoire. vous, Memouna Diado, comment avez-vous acquis aussi cette information <coughs> Merci Nafisa. Euh, tout d'abord, donc, euh, je profite euh, de vos micros pour présenter mes condoléances au peuple du Niger et à mm. toutes ces familles qui sont endeuillées et prompt établissement aux blessés. comment je l'ai accueilli Je l'ai accueilli mal. Mal parce que même si c'est une seule personne aujourd'hui qui meurt dans cette guerre, quand même, ça devrait toucher la sensibilité de nous autres. À plus forte raison, on nous annonce déjà 20 côté militaire et personnes euh, euh, Oui, civiles. Quand on regarde la situation, il y a quelques années de cela, quand ça avait commencé, c'était plutôt les civils qui étaient la cible de, de ces terroristes. Mm. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plutôt les forces de défense et de sécurité qui sont les vraies cibles. Qu'est-ce qui a fait cela Peut-être on, va se dire que, comme l'a si bien évoqué tout à l'heure Arimi, il y a une grande partie euh, de cette population, surtout quand on regarde, parce que c'est une jeunesse du côté de cette région de Tilabéry, qui, il y a cette jeunesse qui est un peu manipulée, je me dis très bien, et qui se retrouve de l'autre côté, avec soit les terroristes ou se, sont, se, retrouvent peut-être mm. également dans d'autres groupes. Mm. Bien qu'il n'y ait pas de preuves officielles. Oui, bien qu'il n'y ait pas de preuves mm. officielles, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que des, motos viennent envahir euh, un village et qu'en espace de 30 minutes, même pas une heure de temps, il n'y a plus trace de ces motards. Donc, il y a à se poser la question, est-ce que les villages qui sont environnants est-ce qu'il n'y a pas une complicité autour donc de ces villages environnants Parce que vous ne pouvez pas venir et puis disparaître en un clin d'œil. S'il n'y a pas cette complicité, où ils trouvent refuge rapidement à quelques mètres ou à quelques centimètres ou à quelques kilomètres de là. Donc, et je me dis également, euh, on a tendance à entendre que il y a tout de suite les courses-poursuites, il y a euh, les hélicoptères de chasse qui sont euh, mobilisés après, les après, après, les attaques. Mais moi, je me dis que si aujourd'hui on ne peut pas, euh, nos renseignements, en tout cas du côté militaire, ne peuvent pas avoir accédé rapidement à des renseignements, mais après que les faits soient déjà connus de tous, comment est-ce que peut-être on risquerait également du haut de bombarder d'autres euh, paisibles mm, populations. Oui, souhaite quand même pas. Oui, parce que en fait, quand ils se mélangent à cette population, mais tu ne peux pas, euh, du haut là, tu ne peux pas détecter qui est qui aujourd'hui est terroriste. Mm. Donc, il y a ce qu'il y a lieu de faire, c'est de redoubler de vigilance, parce que attaquent là où on s'attend pas. Aujourd'hui, c'est goûté Demain, qui sait, ça sera un autre village, une autre commune qui est encore plus proche peut-être ou bien un peu éloignée de Gauthier qui sera peut-être leur cible. Mm. Donc ça veut dire qu'il faut cette... Mais euh, euh, quelle doit être justement la meilleure réponse face à cette situation qui prévaut, qui continue euh, dans la région de Tilabé La meilleure réponse, c'est qu'il y ait rapidement, même si l'attaque est lieu quand même, qu'il y ait rapidement de, de réaction. C'est devenant des, autorités. Des autorités, de des la... forces de défense et de sécurité. La population, on ne cessera de le dire. La population doit également contribuer. Mais de quelle manière cette population doit contribuer Parce qu'aujourd'hui, mm. ces populations ont peur euh, de dénoncer. Vous voulez donc dire qu'ils doivent dénoncer aujourd'hui Mais ils ont peur de dénoncer. Mm. Parce que la majorité ou la masse se retrouve dans cette population. Donc, c'est des gens qui se reconnaissent, qui se connaissent tu peux dénoncer, mais déjà, est-ce qu'il y a les dispositions qui seront prises pour, en tout cas, euh, protéger cette personne qui a dénoncé. D'accord. C'est ça aussi. Alors, une situation inquiétante qui continue de prévaloir dans la région de Tilaberi, cette insécurité. Euh, Issa, une attaque qui a fait 21, qui a fait 21 personnes décédé. Quelle est votre perception de cette situation aujourd'hui Je commence d'abord par dire que c'est choquant. C'est choquant quand on voit un peu la fréquence. Parce qu'avant l'attaque, cette attaque de Tassia, il faut vous rappeler qu'il y a eu Boni. Boni, oui. N'est-ce pas Où pratiquement il y a eu sept morts et ils ont enlevé quelques uns six soldats. N'est-ce pas Qui sont actuellement avec eux, on ne sait dans quelles conditions. Moi, je me dis c'est choquant et ça commence à devenir. Euh, ça devient plus qu'inquiétant, ça commence à devenir très, très, très, préoccupante, n'est-ce pas Moi, je me dis quelque part une chose. Tout à l'heure, ah, Maimouna a dit quelque chose. Ce pas des gens qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas Et qui sont autant renseignés, peut-être que les militaires, sinon plus. Et ils connaissent le mouvement des militaires. C'est ça qui leur permet, et ils connaissent la zone. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens viennent, peut-être une centaine en moto, ils tentent, ils tentent une embuscade. C'est parce que dans les populations civiles, ils ont des renseignements, n'est-ce pas Ils ont des complices selon vous Oui, bien sûr, mais bien évidemment, parce que quand vous lisez le bulletin des opérations militaires, vous, allez constater que régulièrement, on prend des gens qui les ravitaient en carburant, mhm. on, prend dans les villages des, comment vais-je dire, des, des, mhm. fournisseurs d'informations et tout. Moi, j'ai dit une chose, on doit agir sur deux choses. Ceux-là qu'on arrive à à, prendre là. Mhm. moi, je me dis quelque part, il faut les torturer pour dire où se trouvent les planques. Mhm. Mais est-ce que vous pensez que ça peut aboutir Non, non, non, non, ça peut aboutir. Mhm. Ça peut aboutir parce qu'ils ont des vies humaines gratuitement. Il faut arriver à éradiquer parce qu'ils ont des planques où ils mettent les motos. Quand ils font les attaques, ils se replient. N'est-ce pas Ça, c'est une première solution qu'on peut adopter. Parce que les populations, tout à l'heure, on dit il faut collaborer, il faut collaborer. Ce n'est pas que les populations ne collaborent. Mhm. Quand vous allez dans tous ces villages-là, vous allez constater qu'il n'y a plus de chef du village, il n'y a plus l'imam, mhm. il n'y a plus personne. Tous les dignitaires sont pas, mhm. n'est-ce pas C'est souvent des villages qu'ils contrôlent d'ailleurs. Parce que il faut, les populations sont obligées de faire allégeance pour pouvoir rester sur place. Là où les populations refusent de faire allégeance, on les chasse. Je prends l'exemple, par exemple l'exemple de comment ça s'appelle cette localité. Et, euh, dans la région de Tilabé. Dans la région de ça, comment on appelle ça Geladjo. La, la, commune, pratiquement, il reste que la commune. Mm. Toutes les populations sont parties. Mm. Parce que dans une zone où la moto était interdite depuis pratiquement 2017, conduisent des centaines de motos. Je mm -hmm. J'ai dit maintenant, la stratégie, c'est une guerre asymétrique. -hmm, -hmm. On dit qu'on a des drones. Quand il y a des mouvements militaires dans la zone, les, patrouilles. Bien avant. Il faut faire décoller les drones pour surveiller tout à temps, mm-hmm. pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe en bas n'est-ce pas mm. Parce que c'est ça aussi, comment dirais-je effectivement, effectivement, Voilà, pour pouvoir prévenir. Parce que vous voyez un peu ce que les Burkinabés font. Quand les gens vont sur le terrain, quand les soldats vont sur le terrain, il y a toujours des avions qui sont en l'air et qui sont prêts à décoller. Mm, mm, en cas d'attaque, c'est les avions qui décollent et immédiatement. Parce qu'on ne peut pas éradiquer totalement ce genre d'attaque ou ce genre d'embuscade. Mm-hmm. Mais c'est que, on peut les prévenir, mais on peut aussi massacrer ceux qui sont venus jusqu'au dernier. Il faut donc agir, agir, efficacement très tôt. Mm-hmm. Il faut aller, il faut, il faut chercher à savoir où se trouvent leurs plans, détruire les plans. C'est-à-dire il faut aller à l'offensive. Mm-hmm. Le plus souvent, c'est par surprise. Ce qui s'est passé là, c'est une surprise. Ça veut dire qu'ils ont été informés que bon, les militaires sont passés, ils vont revenir et en ce moment, ils sont venus, ils ont mis leur dispositif. Donc c'est comme la diarmie, il faut redoubler de vigilance, il faut, agir. il faut agir et mhm. il faut aller à l'offensive. Et il faut mettre les avions à contribution à temps. Parce que ceux qui les viennent attaquer là, c'est en moto. Mhm. Quand les avions décollent, moi je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas échapper. Paix donc euh, aux âmes de ces soldats qui sont tombés. Alors, euh, question sécuritaire, toujours le préfet du département de Bulma, Abandou Torda, de, euh, de la région d'Agadez, et cinq membres de sa délégation ont été enlevés dans une embuscade survenue vendredi 21 juin, a annoncé le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale dans un communiqué. Alors l'attaque a eu lieu à hauteur de village des guerres alors que la délégation du préfet revenait d'une mission à Dricou. Ainsi, côté ami, on dénombre un décédé, un blessé grave, cinq personnes enlevées et un véhicule emporté. Et côté ennemi, un véhicule a été récupéré. Et malgré la résistance et héroïque, note le communiqué, les membres de la mission ont été submergés et pris en otage et les forces de défense et de sécurité ont engagé une poursuite en vue de libérer les otages et mettre hors d'état de nuire les assaillants, conclut le communiqué. Alors un préfet qui vient d'être enlevé et dont on n'a pas les nouvelles à la date d'aujourd'hui une question unique à vous tous. Quelle réaction vous suscite hein, cette information Je reste avec vous, Seigneur j'ai appris l'information, moi j'ai été choqué. Hein, j'étais mhm. choqué. Mhm. Parce que je connais Dirkou, j'ai fait Dirkou, j'ai fait Bilma. Je sais qu'à Dirkou il y a quand même une base militaire importante nigérienne. Une des bases militaires importantes se trouve à Dirkou Et le préfet Karma, c'est lui qui couvre toute cette région parce que le préfet de Bilma, c'est Bilma qui couvre Dirkou Moi, je n'ai pas compris comment le préfet a pu quitter sans prendre des précautions il n'y avait pas d'escorte. Hein. des oui. oui. Parce que c'est une zone, on le sait, c'est une zone qui est, qui, qui, de, comme on avait dit, de, tanière pour les, les, les, trafiquants, mhm. tout mais également les nouveaux mouvements rebelles là, mhm. qui se sont autoproclamés, mhm. tout ça. Parce que d'après les informations que j'ai reçues, c'est un autre, c'est un nouveau mouvement qui s'est créé, qui a enlevé, qui a procédé à cet enlèvement. Mm. Moi, j'ai dit souvent, c'est souvent la négligence. Parce que quand on sait qu'on est dans une zone dangereuse, on prend les dispositions nécessaires pour parer à ce genre d'éventualité. Parce que tout simplement, semble-t-il qu'ils se, se sont battus. Hein. Mais ils étaient en coupe de munitions. C'était ça le problème. Mhm. Alors que Alors qu'en quittant, parce qu'il était parti pour la lecture du Coran mhm. à Dirkou et il devait rentrer à, comment ça s'appelle, à Bilma. Mhm. Et c'est en cours de route, à moins de 15 km de Bilma, dans un village, euh, comment ça s'appelle le nom Eger. C'est là-bas qu'ils ont été victimes de l'attaque. Mhm. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient au courant que le préfet, mm -hmm. ils mhm. Le renseignement, c'est important. Et par rapport à ça, quand on est dans des zones comme ça, il faut toujours prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir, pour éviter ce genre de, situation. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle situation, dans quelle les personnes qui ont été... Alors, il faut prendre des mesures bien avant pour ce genre de déplacement. Arimi, quel est votre mot sur ce euh, oui, euh, Comme au j'ai fait cette zone. Euh, entre Bilma et Dirkou, c'est quoi C'est une quarantaine de kilomètres. Et l'autre guerre est encore entre les deux localités. Moi, je pense qu'il y a quelque chose vraiment. Les gens ont pris à la légère mhm. l'insécurité qui prévaut dans, dans la, zone. c'est vrai que Jusque-là, bien sûr, des mouvements se sont autoproclamés pour dire que voilà, force euh, quoi, front de ci, front de ça. Mhm. Mais c'est surtout les trafiquants de drogue qui, euh, qui étaient les plus nombreux dans notre mhm, l'autre mhm, zone. Mais de là à faire déplacer une délégation officielle avec le premier responsable de la zone, vraiment juste avec quelques militaires, sans aucune arme lourde apparemment, n'est-ce pas mhm. Alors qu'aujourd'hui, si tu dis que tu vas aller à Bilma ou à Dirkou ou à, Samaka, on t'exige tout de suite de prendre en charge une mhm. escorte pour mhm. t'accompagner. Mais il n'y a pas eu cela. Et je crois que donc, à force d'être là-bas, les gens ont minimisé ce qui peut arriver. Ils ont surestimé le peu euh, de ressources qu'ils avaient avec eux et ils ont pris la route. Alors que les gens étaient quand même, ça veut dire, très informés il ne faut pas se leurrer. Mhm. C'est euh, nos enfants, nos frères et autres qui font ces attaques-là. Mhm. C'est des gens qui connaissent la, zone. Et c'est comme ici, la frontière, elle est poreuse de l'autre côté aussi. Mhm. Les gens peuvent se réclamer d'être tchadiens, d'être libyens, d'être nigériens, de l'autre côté aussi. Et donc, c'est vraiment, ils se sont armés. Et malheureusement, voilà ce qui arrive. Parce que c'est quand même grave ce qui nous arrive, c'est le premier responsable de la zone qui est enlevé. Et jusque-là, on n'a pas de oh, oh, ces, nouvelles. Donc la poursuite qui a été engagée mm. n'a pas donné d'effet, ça veut dire. Mm-hmm. Donc autrement dit, maintenant, il faut engager peut-être des, négociations parce que peut-être qu'ils ne sont même pas en territoire. mais Mouna, quelle est votre opinion à ce sujet mon opinion à ce sujet, c'est que ça nous ramène toujours à la négligence. Ça nous ramène à la négligence ça nous ramène aux renseignements, euh, euh, les renseignements qui ne viennent pas à temps. Mhm. Ça nous ramène également à une complicité. Vous pensez, oui Oui, parce que, en fait, ceux-là étaient déjà au courant du mouvement du préfet mhm. et du nombre de personnes qui l'ont accompagné dans cette délégation. Mhm. Sinon, ils n'allaient pas agir de la sorte si c'était quand même un convoi gigantesque qui était avec lui. je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont le faire. Mais maintenant, c'est une inquiétude qu'il faut, il faut également souligner, soulever. Laquelle Si aujourd'hui le premier responsable, qui est un militaire, a été pris par des, des, brigands, parce que nous, on l'appelle des brigands, on les mhm. appelle des brigands, c'est inquiétant. inquiétant. Mais dans ce cas, le civil, qu'est-ce qu'il devrait faire Ça veut dire que la menace, elle est partout. La menace peut se retrouver aujourd'hui devant ta porte il ne faut pas négliger cette menace. D'accord. Merci bien. Donc la menace, elle est partout et elle il faut pas la, la négliger. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Deuxième sujet de ce forum, les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Diodoné Soglo et Thomas Boniaï, arrivés lundi à Niamey, se sont entretenus le mardi 25 juin avec le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Selon l'agence nigérienne de presse, les discussions entre le chef de l'État nigérien et les deux anciens présidents béninois ont porté essentiellement sur la situation qui prévoit actuellement entre les deux pays relativement aux différents qui les opposent au sujet du chargement du bateau devant transporter le pétrole brut du Niger vers le marché international. Mais Monejado, comment vous appréciez cette démarche des deux anciens présidents béninois dans cette situation euh, La démarche est salutaire quand même puisque ce sont en tout cas deux anciens présidents, euh, bénins et qui ont su, en tout cas, garder les relations euh, entre le Bénin et le Niger, à l'époque où ces deux étaient quand même euh, dans l'exercice euh, de leurs fonctions. Mm. Et c'est bon que euh, ces deux se sont retrouvés ici au Niger pour pouvoir décanter la situation, voir comment est-ce qu'il faut décanter la situation. Mm. Et c'est que c'est de cela que je parlais. Euh, dans un autre forum où j'ai dit les guéguerres, il faut savoir comment les faire et comment les résoudre après, parce que c'est la population, c'est les deux peuples, les deux peuples n'en a pas besoin. Il faut aller vers euh, un consensus, mhm. trouver le moyen, dialogue, oui. trouver le moyen par le dialogue. Le dialogue a toujours arrangé les choses. Et je pense que euh, je les ai vus, ils étaient venus ici, ils ont été quand même reçus mhm. par euh, euh, le ministre euh, de l'Intérieur, euh, le directeur de cabinet du mhm. président, du chef de l'État. Mhm. Et, le ensuite, le chef de l'État aussi, lui-même, les a quand même accepté de les rencontrer. Mhm. Et il y a eu la rencontre aussi avec deux anciens présidents du Niger, avec les deux autres présidents. Donc je pense que la situation comme déjà ils ont accepté d'entamer les, discussions, à leur niveau, ça veut dire qu'on attend dans les prochains jours une décantation de cette situation entre le Bénin et le Niger. Oui, on attend dans les prochains jours une décantation. Mais vous, Arimi, qu'est-ce qu'on peut espérer des discussions entre les deux hôtes euh, et le président Abraham Chani Il faut, à mon avis, euh, saluer n'est-ce pas, euh, le euh, comportement de ces anciens présidents hmm. qui, depuis les euh, premières heures du coup d'État, n'est-ce pas, ont pris sur eux une démarche, n'est-ce pas, qui consiste à faciliter la tâche pour les populations. quand il s'est agi des sanctions prises par la CDAO contre le Niger, ils ont fait des pieds et des mains pour que les frontières soient ouvertes pour que vraiment euh, les populations euh, ne souffrent pas euh, davantage. Mm. Et cette fois encore, c'est les deux présidents béninois, n'est-ce pas, Don Soglo, le premier président du temps démocratique, n'est-ce pas, et Thomas Yahiboni Boni, n'est-ce pas, ancien président de la BAD, mais ancien président de la République du Bénin, qui, il faut le rappeler, quand un petit problème s'est posé entre euh, les Nigériens vivant au Bénin et, euh, les Nigériens, les Nigériens oui, vivant au Bénin et les Béninois, mhm. n'est-ce pas, n'a pas euh, lésiné sur les moyens à effectuer tout de suite le déplacement pour venir rencontrer mhm, mhm. le président Tanja, qui s'était fâché et qui voulait prospecter justement le port du côté de l'Alger à l'époque. Et tout de suite, ils ont aplani euh, la situation et les choses ont repris. Et donc, cette fois, si ces deux présidents sont venus, à mon avis, c'est pour signifier au CNSP que cette situation sécuritaire qu'ils dénoncent tant n'est peut-être pas vraie, n'est-ce pas, ou n'atteint pas l'ampleur euh, qu'on lui donne mm. et que vraiment ouvrir la frontière, c'est mieux pour les populations que de la euh, garder fermée. Euh, je crois que c'est ce message qui sont, même si rien n'a filtré, mm-hmm. n'est-ce pas, c'est ce message qu'ils sont venus délivrer. Malheureusement, ils ne sont que des anciens présidents, ils ne peuvent pas prendre des engagements à la place des autorités actuelles, mhm. du, du, Bénin. Et peut-être qu'ils vont venir aller là-bas aussi les rencontrer mhm, mhm, et leur signifier euh, ce que le CNSP, le président du CNSP le, leur ont dit. Et de l'autre côté, peut-être qu'ils vont accéder vraiment à la demande de ces deux dignitaires, euh, des personnes quand même qui ont eu à des moments la confiance de toutes euh, les populations de part et Donc euh, la démarche de ces deux anciens présidents euh, béninois est, est, à saluer aujourd'hui. Selon vous, au sein quelle peut être ou bien quelle doit être la position du président nigérien Dans cette affaire, c'est de côté, il y a une position figée. Le Niger considère que le Bénin a implanter des bases militaires françaises, les Français qui ont quitté d'ici, pour former des djihadistes qui vont venir déstabiliser. C'est la position qui est maintenue jusqu'ici. Maintenant, la situation, c'est un peu compliquée quand Talon aussi s'est mis dans une logique, au lieu de chercher à décanter, Talon s'est mis dans une logique euh, d'abord en, en, interdisant, comment dirais l'accès du premier tanker dans mhm, un mhm, premier mhm. temps. Ensuite, il est revenu, il, a pris cinq euh, cadres nigériens, comme ça, pour les enfermer, les qualifiant de terroristes et d'espions, hmm. n'est-ce pas On a vu comment ça, ça, a pu finir. Ça veut dire que de l'autre côté aussi, Talon ne fait pas franc jeu. Et c'est ça qui ne facilite pas le, le, comment avec la confiance, l'instauration de la confiance. Bon, de ce point de vue, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'il est en train de poser comme acte Sinon, tout le monde sait comment les populations endurent cette longue fermeture du pont. Parce que, bon, moi je considère ça, parce que la frontière, l'autre la frontière de part et d'autre, c'est mm-hmm. le long du, mm-hmm. comme avait dit, le, reste de la frontière, c'est le fleuve, n'est-ce pas mm. Et c'est facile, et le parc du W. Et c'est facile pour des, des, des, comment avait dit, des, des, touristes de passer par ces, par ces. Il est beaucoup plus facile pour eux de passer par là que d'emprunter le pont. Donc en gros, nos autorités aujourd'hui, c'est presque maintenu si on peut le dire. oui, mais moi je suis d'accord, je suis d'accord. L'initiative de M. Soglo et de, quand même de, Boni c'est une initiative loi. Maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que c'est une initiative officielle, c'est-à-dire, n'est-ce pas est-ce que c'est une initiative ou c'est une initiative personnelle qu'ils ont décidé parce qu'ils sont sensibles mhm. aux difficultés Ils ont géré le pays. Ils savent les relations séculaires qu'il y a. Les prochains jours nous en dirons plus. Ah, Notons que cette visite des, deux anciens présidents béninois intervient au moment où le Niger envisage justement d'utiliser le pipeline du Tchad pour exporter euh, son pétrole brut vers le marché international. Le Premier ministre l'a annoncé à l'issue du Conseil des ministres tenu le 24 juin 2024. Alors, Mohamed Laminzen a déclaré que le gouvernement a décidé de mettre en place un comité pour réactiver les travaux devant conduire à l'atteinte de cet objectif, à l'ANP. Et pour rappel, un protocole d'accord bilatéral entre le Niger et le Tchad a été signé dans ce cadre le 17 septembre 2012, approuvé le 1er juillet 2014 à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Tchad et promulgué le 21 juillet 2014. Que pensez-vous de cette décision des autorités Bon, je pense que hein, le Niger a décidé de s'engager dans l'exploitation du brut directement, pas en passant par un partenaire stratégique. La SONIDEP va désormais, la dernière fois, ils sont allés lancer, comment dirais euh, la pose euh, de, de, la première pierre, je crois. Il y a eu une délégation qui est partie dans la zone. Mhm. Moi, j'ai dit quelque part, peut-être c'est en lien avec ça. Parce que dans tous les cas, l'expérience avec le Bénin, euh, l'expérience est désastreuse. Mhm. Il faut trouver un autre, parce que moi j'ai dit, c'est certainement un prélude à l'exploitation du brut nigérien. Parce qu'avec ce qu'on a connu avec Talon, il n'est pas prudent de, de, de, pomper, comment vais dire, notre brut qui va sortir, qui nous appartient. Mhm. Parce que quand on parle des Chinois, il ne faut pas avoir. Euh, ce pas des philanthropes, les mhm. Chinois. on a vu dans, le différent, quand ils ont arrêté nos, nos, nos, compatriotes, les, Chinois étaient d'avis que nos compatriotes ne devaient pas euh, euh, assister. Ça veut mhm. dire que ce pas des partenaires qui sont totalement fiables, mhm. n'est-ce pas Alors, s'il y a une autre option, parce qu'initialement, c'était l'option qui nous facilitait la tâche. Mais par la suite, ils se sont arrangés pour détourner ça. Initialement, le bloc d'Agadem ça fait 600 km pour aller jusqu'au Tchad. Alors qu'ici, ça fait 2000 km et quelques. Alors, ah. c'est une option qui faciliterait les choses selon vous. Oui, bien sûr. Mais maintenant, quand mhm. on va commencer, quand on va mettre le peuple là en place, moi je dis c'est plutôt pour transporter notre brut que la sonde va se mettre, va, va exploiter. C'est pas pour, comment on veut dire. Dans tous les cas, le Niger a décidé de fermer les vannes et les vannes sont restées fermées à ma connaissance jusqu'à cette date. En tout cas. Alors, mais vous, qu'est-ce que, quelle est votre réaction euh, face à cette décision du Niger d'utiliser, d'envisager d'utiliser euh, le pipeline du Tchad pour exporter son brut vers les marchés internationaux Moi, je suis d'avis avec euh, la décision <laughs> du Niger parce que, <laughs> comme l'a dit Hussein, avec l'expérience du, du Bénin, donc il faut essayer de diversifier de l'autre côté, chercher un autre partenaire où le pipeline serait mieux installé et euh, dont euh, cette fois-ci, ça ne serait pas euh, à quelqu'un ou à une autre société de discuter du, pétrole, hmm. de comment est-ce qu'aujourd'hui on, pourra transporter le brut vers l'international. Hmm. Comme déjà, c'est la SONIDEP qui va prendre en main la situation. Moi, je me dis que c'est vraiment bien mhm. et que de telles choses doivent être, euh, en tout cas, euh, c'est doivent être euh, multipliées davantage, davantage et également autour de ça je pense que c'est pas il n'y a pas un Nigérien peut-être qui serait du tout d'accord euh, que, le Niger puisse Alors, rapidement, au niveau donc du Tchad. Armi, pour clôturer ce sujet, êtes-vous aussi optimiste euh, que vos prédécesseurs sur la euh, faisabilité au-delà oui, de cette option Bon, dans tous les cas, ça, pour ça, les études ont été faites, hein. mhm, mhm. les accords ont été signés avec le, le Tchad et tout. Et dans tous les cas, vaut mieux avoir deux options qu'une seule au vu de ce qu'on a vécu. On ne peut pas donner le monopole de l'exportation de notre pétrole à mhm. des personnes qui ont des humeurs euh, bizarres, qui ne, respectent pas des engagements. Mhm. Donc c'est une autre option Surtout, il semble qu'on a beaucoup, beaucoup de pétrole. Mhm. Et j'envisage, si ce il, ne s'agit que de moi, même la voie du Nigeria aussi, il faut l'envisager. Hmm. Surtout que le train du Nigeria compte venir jusqu'à Maradi. Eh il faut aussi envisager une exportation par cette voie-là. Euh, parce que euh, vraiment, c'est tellement sérieux, c'est vital pour nous qu'on ne peut pas se contenter de fermer à chaque fois mhm. euh, la voie. Et il faut aussi rappeler euh, que, en fait, le fait que ça sorte par le Bénin, c'est une vieille stratégie, euh, malheureusement encore française, qui a mhm. été implémentée. Parce qu'il y a, pendant la colonisation, pour exporter l'arachide n'est-ce pas, produites dans la zone de Maradi, Difa et Zander, mhm. n'est-ce pas, les gens avaient opté pour l'opération Hirondelle, mhm. n'est-ce pas, qui euh, transportait l'arachide jusqu'à Dosso pour descendre et sortir par le Bénin. Mhm. C'est comme si c'est uniquement le seul port qu'on peut utiliser. En fait, le euh, la France tenait à ce qui est le lien uniquement avec euh, mhm. ses anciennes, mhm. entre ses anciennes colonies. Mhm. Et il fallait vraiment faire le blackout sur le Nigeria, par exemple. Sinon, 2000 km, c'est excessivement cher et c'est pour cela qu'il n'est pas facile pour nous aujourd'hui de renoncer à cette voie-là. Parce que c'est beaucoup d'argent si on doit encore mettre de l'argent pour faire ne serait-ce que les 600 km. C'est encore, or nous on doit profiter d'abord des de retombées de ce pétrole-là avant d'envisager le rentable, Merci donc euh, pour vos commentaires, euh, précisions et analyses. Donc, euh, dernier sujet, les autorités nigériennes ont annoncé, toujours dans le Conseil des ministres du 24 juin, la mise en place d'un groupe de travail chargé de réfléchir sur la révision de la structure des prix des hydrocarbures dans l'optique d'une baisse du prix à la pompe. À la date d'aujourd'hui, le prix du litre d'essence est de 540 francs CFA et le gasoil à 605 francs CFA. Cette baisse, si elle se concrétise, sera une bonne nouvelle pour les consommateurs. Arimi oui, euh, en tout cas, je n'ai vu, c'est une des questions qui fait l'unanimité euh, au, niveau, au niveau des Nigériens aujourd'hui. Mhm. Et pour la simple raison que nous sommes un pays euh, continental, n'est-ce pas Tout s'est fait par le carburant, tout est transporté par la route, mhm. et donc par euh, l'essence, le, carburant, en tout cas le gasoil. Mhm. Et si on baisse ce prix, inévitablement, ça va se répercuter euh, sur euh, beaucoup de choses. Vous vous rappelez la grève des taximans, n'est-ce pas, qui a été, je dirais, tuée dans l'œuf à l'époque ils envisageaient d'augmenter le prix de la course, mhm. n'est-ce pas euh, Quand le prix a été augmenté à 540, mhm. ils n'ont pas été écoutés. Mais aujourd'hui, le taxi, quoi qu'on dise, la course à 200 francs n'existe presque pas. Mhm. Et certainement si ça coûte moins cher, ils vont revenir à ça. C'est la même chose pour le transport interurbain urbain, euh, ou intra-urbain, c'est la même chose pour aller à Zender aujourd'hui, euh, ou à, à Agadez, autour de 30 000 francs. Euh, et c'est lié à l'état de la route, mais aussi à la consommation justement liée à cet état de, route. Mhm. Mais aussi tous les biens de première nécessité, les produits de première nécessité qu'on transporte désormais d'ailleurs à partir de Lomé, hmm. n'est-ce pas, le coût euh, est pris en charge, même si euh, il ne se ravitaille pas qu'au Niger, au moins en repartant c'est le carburant nigérien que euh, les gens vont prendre. Mais aussi, ça a l'avantage, à mon avis, que les Nigériens vont consommer davantage leur, carburant. Parce que là, on ne peut pas se le permettre, euh, mais celui qui prend d'habitude 2 euh, litres, si le prix est sensiblement baissé, peut se contenter de 2 litres, 4 litres par. Mm et puis c'est un produit quand même euh, qui nous appartient. Mhm, mhm. Les Nigériens ne doit pas l'acheter au même prix que. c'est vrai que en son temps, le régime, le feu régime qu'on connaît, n'est-ce pas, avait argué que si nous-mêmes nous ne contribuons pas à valoriser notre mhm, pétrole, mhm. comment est-ce que ça va être valorisé Mais euh, les Nigériens n'étaient pas d'accord du mhm. tout. Je vous dis, ça fait l'unanimité aujourd'hui Les Nigériens, moi y compris. Euh, je sais que Ousseini aussi est d'accord et certainement euh, et, Nafisa <laughs> et, Maimouna. Tous les consommateurs ça va nous alléger, vraiment, nous faciliter un tout petit peu la vie, mhm. parce qu'elle est actuellement extrêmement difficile en réalité. Une baisse euh, qui fera une bonne nouvelle si elle est effective à Memouna. Les autorités euh, donc ont ainsi annoncé euh, l'installation du comité chargé de réfléchir sur ces prix. Doit-on s'attendre à des résultats dans les plus brefs délais on, on, doit s'attendre à des résultats, puisque déjà, ils ont annoncé la mise en place du comité, qui va se charger de réfléchir sur euh, la réduction des, hydro, des prix des hydrocarbures à la pompe je, je, me dis que si ça arrive à se concrétiser rapidement, on pourrait faire face à cette situation de mm. charité de la vie. Mm. Ça va impacter plus euh, positivement sur euh, la population. Et rien que quand on prend également le gaz, aujourd'hui, ça pourrait permettre, avec cette réduction, que tous les foyers, les foyers nigériens puissent en profiter. Mhm. Voilà, et également, comme l'a dit Armi, on aura, on verra un changement au niveau donc des prix de, des premiers, des denrées de première nécessité, mhm. rien que les fruits et légumes qui sont, transportés, qui sont transportés. Donc ça veut dire ça va en tout cas atténuer la souffrance des uns et des autres. Mhm. Et euh, l'économie, ça va booster également l'économie mhm. euh, du Niger. C'est à ça qu'il faut s'attendre. Donc c'est vraiment un souhait, c'est que ça ne tarde pas parce mhm. que ça, ça a tellement duré c'est un souhait de, <laughs> cette population nigérienne. Mhm, mhm. Ça fait combien d'années mhm. euh, que nous sommes là-dessus Et ça a fait même un combat, ça a fait des marches, ça a fait des mouvements qui n'ont pas abouti. Et là, on souhaite que ça soit vraiment euh, très rapidement concrétisé. On souhaite que ça se concrétise euh, très rapidement, mais au sein aujourd'hui, quel peut être le prix raisonnable à proposer aux consommateurs Moi, Vous savez, euh, <laughs> moi, moi, moi, quelque part, j'ai euh. dit quelque part, c'est-à-dire le régime de Chine nous a grigé. Ah n'est-ce pas Quand j'ai fait le travail, quand j'avais tout arrêté, et jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai un enregistrement du regretté Ben Omar. Mm. Que le prix allait être fixé à 350, ils étaient tous d'accord, les Chinois, partis chinois, de n'est-ce pas mm. Alors, quand ces gens-là sont arrivés, ils ont fait comprendre que non, la construction de la raffinerie a été mal, mal, mal, mal négociée par le Niger. C'était faux. Et dans la structure des prix, ils ont mis des choses qui tombaient dans l'escarcelle de, de certaines dignitaires du mhm, régime. Mhm. C'est ressorti à plusieurs reprises. Ou karma, s'il y a des, fonds qu'on qu réversait. C'est pour ça qu'ils ont amené à, 540, n'est-ce mhm, pas Et quand ils ont amené à 540, je me rappelle quand il y a eu les mouvements d'humeur, au, le, taximan, euh, le, le, ministre du pétrole à l'époque, euh, Fumokoy, il, il est sorti pour dire dans un an, ils vont voir s'ils peuvent réduire. Une réduction qui n'est jamais arrivée parce que ça ne les arrangeait pas. Ah, C'est-à-dire, ils ont grigé les Nigériens ça ne devait pas se vendre aux Nigériens comme ça. Mm. Comme l'avait prévu Tanja, qui, a eu qui, est l'initiateur, mm. le regretté mm. Tanja. Ils sont venus, ils ont trouvé l'aubaine, ils se sont enrichis. Pendant que les populations souffraient. Et vous vous rappelez, en 2021 seulement, quand ils sont sortis pour dire qu'il faut qu'ils augmentent le prix du gasoil, sinon, s'ils n'augmentent pas le prix du gasoil, le kilowatt-heure va être augmenté, n'est-ce pas Dans le sillage un peu de, de, de, de, l'épidémie de Covid, là, ils mhm. avaient raconté ces histoires-là. Mhm, mhm. C'était archi faux, faux. Ils ne voulaient pas parce que ça ne les arrangeait pas, parce que chacun trouvait son compte. Il y a des dignitaires qui trouvaient leur compte en maintenant ces prix-là. Ce n'est que justice faite aux Nigériens que de revenir sur, ça euh, pour permettre au moins aux populations de profiter d'une ressource qui appartient à tout le monde. Mhm, ça mhm. n'appartient pas à une famille. Et quand je me rappelle, quand le temps j'avais eu l'idée de. Euh, il a décidé de faire ça, quand je me rappelle qu'il y a un d'entre eux qui est sorti pour qui peut dire que c'est de l'eau. Mhm aujourd'hui. Alors, donc, euh, on souhaite vraiment que les conclusions, les résultats du, travail de ce groupe soient euh, dans les plus brefs délais. Inch'Allah. Mhm. Alors, merci bien donc, euh, chers invités, pour euh, vos commentaires, analyses et précisions sur les sujets de ce forum de la presse. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse. Nous remercions à nos invités Memouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Abba, journaliste à la radio alternative. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes les week-ends dès 17h avec euh, l'actu des jeunes suivi de tout à la FADA et les forum forums en et Zerma à partir de 18h15 euh, les samedis et dimanches. La technique est assurée par Mustapha Yuba. Je suis Nafisa Adam Sirfa, la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.